Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour chers collègues députés. Monsieur le ministre. Je suis leen nuyu ku les collaborateurs des ministres. Libéral nous, nak euh, ganu mon frère Moustapha Ba encore une fois de plus. monsieur le ministre je Fada maa féliciter ci nomination encore une fois waaye tamit di féliciter ce département qui réalisation yu am solo depuis le président de la république Macky Sall avec l'augmentation des fonds de concours qui sont passés de 12 milliards à 49 milliards mais également avec la montée en puissance de la fonction publique locale mais plus précisément avec l'acte 3 de la décentralisation qui a apporté des réformes importantes telles que la communalisation intégrale l'érection des départements en collectivité territoriale. Mais monsieur le ministre, comme nous avons acte 3 de la décentralisation, pour mon objectif, nous fixé en 2025, euh, des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, il faut que nous fassions phase 2 le plus rapidement possible. Lolo nak mooy ñu wax financement de la décentralisation monsieur le ministre décentralisation comme nous sommes prêts prédécesseur yi waxé mo ngi au Sénégal le problème de financement pose un problème pour ça il faut une fiscalité locale plus forte mais également élargie au département plus forte nous avons nañ fiscalité locale je m'adresse euh, au ministre des finances à la direction générale des impôts et domaines la fiscalité locale war ñu ko un bureau C'est bien géré mais on ne koy def par exemple une structure qui gère on war nañ ko def euh, war en direction comme nous avons un trésor structure bi nga xam ne mooy de affaire collectivité territoriale mooy nuyu de passage celui qui le gère mon frère nous euh, nga mon ne mu ngi fi toog maa de lay qui monsieur le ministre pour parler toujours de la du financement des collectivités territoriales, nous avons une augmentation des fonds de transfert conformément au texte de l'UOMA e qui ont prévu un transfert de 20% des taxes collectées. Nous avons Monsieur le ministre, nous avons toujours la décentralisation du BCI. Nous avons classe, euh, centre de santé un poste de santé. Nous avons collectivité territoriale. ndax nag sàmmkatu mbott moo xam bu ci soox ñun ñoo gën a xam suñu gox yi ak fan lañu war a tabax suñu suñ classe suñu gox yi te bu suivi bi ci lay gën a assuré mais également le contenu local ci lay gën a assuré monsieur le ministre maa ngi ñaan une meilleure assistance des départements gannaaw bu ñàkkee fiscalité mais département yi tamit amuñu siège ñu ci ëpp te nit ki baa nga ne naam nekk fi am na collectivité territoriale surtout ay département yoo xam ne ku ci mel ni Goudomp soo demee seen seen siège doy na waar trop département Kungel, leen pour leen nous vivons des situations yu doy war doy war te yakar ñu kenn ku dul état pour ñu jàppale monsieur le ministre une meilleure assistance des départements nous ñu boole ñu ci programme FERA PUDC PACASEN yooyu yëpp à ah, quand PACASEN rural kañ effectif mais monsieur le ministre pour terminer ma ngi ñaan nga dooleel PNDL ndax nak ku ñu la comme tamit dañu wara dolé les les associations fêtières, nous avons association fait un ngi rôle important de taxawu ñi nga mais également on représente l'État à travers euh, le monde donc nous demandons une meilleure assistance merci